merci euh, ma ngi wax né bala may lire discours bi damay damay gërëm ñëpp di di wax né li tax may wax olof ñi li ñu mujj wax damay ñaan yalla yeen bi ñu di dina gërëm ñëpp di gërëm samay jabar samay dom di gërëm samay waajur di gërëm samay xarit di gërëm militants yi di gërëm samay jabar di gërëm samay doom di gërëm ñëpp ñu fi toog ñëpp di ñaan yàlla lii nga xam ne sumb nañ ko ci ay weeri weeri weer yàlla may ñu ci ndam ñun li ñu bëgg rekk askan bi moo tax ñu jóg te loolu ñu ngi koy xamal ñi nga xam ne ñoo fi représenté opposition bi donc comment lire lire discours Militantes et militants du parti Union pour le développement mesdames et messieurs les responsables et sympathisants d'ici et d'ailleurs de l'Union pour le développement mesdames et messieurs les responsables et sympathisants de la diaspora de l'Union pour le développement Mesdames, Messieurs les membres des délégations représentant tous les partis, mouvements et formations politiques syndicales, Mesdames et Messieurs les membres de la place, distingués invités, chers concitoyens d'ici et de la diaspora. Le moment est venu pour nous de faire face à la réalité et de prendre des décisions décision courageuse et surtout vitale. Notre pays, notre Sénégal est au bout du gouffre s'il n'y est pas déjà. Les Sénégalaises et Sénégalais d'ici comme de la diaspora sont épuisés, hasarés et fatigués. Nos institutions, socle de notre développement, de notre cohésion sociale, de notre stabilité et de la stabilité du pays sont affaiblis de jour en jour. Tous nos secteurs d'activité sont en souffrance, du primaire au secteur des services, en passant par l'industrie et l'informel. Le service public dans tous ces États est en perte de performance est en dégradation. Face, face à cette situation, il est de notre devoir d'agir. Agir pour une constitution forte, stable et inviolable. Agir pour des institutions fortes et justes. Agir pour une économie souveraine et forte. Agir avec le peuple et pour le peuple. Agir pour le développement de tout le Sénégal pour tous les Sénégalais et partout. Mesdames et messieurs, nous avons la lourde tâche de vous annoncer officiellement la création de notre parti. Union pour le développement de Gouliguel Askanbi. Sa raison d'être est d'améliorer la vie de tous les Sénégalais, de les réunir pour enfin pouvoir ensemble faire progresser notre pays en valorisant nos ressources humaines et naturelles de notre chère nation, le Sénégal. Ces dernières années ont été difficiles et ont divisé notre pays. Mais je suis fier de constater que nous avons su nous unir pour surmonter les défis qui se sont posés à nous. Nous avons travaillé ensemble pour protéger les intérêts de notre peuple et pour construire un avenir meilleur pour tous. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour vous exposer les enjeux importants qui se posent à notre nation et pour décider de la direction que nous souhaitons prendre pour les années à venir. Nous avons des choix importants à faire, des défis à relever et des opportunités à saisir de notre volonté dépend notre mieux-être pour les années à venir. Je suis convaincu que, ensemble, nous aurons faire face les choses pour notre peuple et nous réussirons. Nous lutterons pour protéger les intérêts des travailleurs, des familles et des personnes les plus vulnérables. Nous défendrons nos valeurs fondamentales de liberté, de justice et de solidarité. Alors, Levons-nous et travaillons ensemble pour construire un avenir meilleur pour notre peuple. Soyons conscients que nous vivons dans un pays riche en ressources et en talents. Mais malheureusement, trop souvent, ces ressources et ces talents ne sont pas uniquement utilisés pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Nous voyons encore trop de pauvreté d'inégalités et gâchons trop d'opportunités vitales pour nos jeunes générations. Nous devons maîtriser notre destin pour améliorer la vie de chacun de nous. Notre parti luttera notre parti luttera contre la pauvreté en créant des emplois, en augmentant les salaires et en améliorant les conditions de vie pour les travailleurs et les familles. Nous nous engageons à lutter contre les inégalités en garantissant l'accès à l'éducation, à la santé, à des logements décents pour tous. Nous allons également nous battre pour saisir et provoquer les opportunités pour nos jeunes générations en investissant dans l'éducation, les programmes de formation professionnelle. Notre pays doit retrouver son attractivité pour les jeunes génération. Nous en avons les moyens. C'est notre devoir de proposer à nos jeunes un avenir enviable dans leur propre pays. En tant que nouveau parti, nous apportons également un vent de changement dans la politique sénégalaise en mettant l'accent sur la transparence, l'intégrité et la participation citoyenne. Nous voulons être un parti à l'écoute des, besoins et des préoccupations, des préoccupations de notre peuple et qui agit à leur nom. Rejoignez-nous dans cette lutte pour construire un Sénégal meilleur pour tous. Ensemble, nous devons réaliser une réelle amélioration de la vie des Sénégalais. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où notre continent est vu comme un lieu de pauvreté, de conflits et de sous-développement. Mais nous savons que l'Afrique est riche en ressources, en talents et en culture. Il est temps pour nous de prendre notre destin en main et de construire un avenir meilleur pour nos peuples. Notre parti se consacrera à construire des ponts entre nos différents pays et à favoriser la coopération économique, culturelle et sociale entre les nations d'Afrique. En tant que nouveau parti politique, nous allons également démontrer que notre pays doit être respecté sur la zone internationale et que nos voix doivent être entendues et considérées. Nous allons nous battre pour que les intérêts du Sénégal soient pris en compte dans les décisions qui affectent notre continent. Rejoignez-nous dans cette lutte pour un avenir unifié et prospère pour le Sénégal. Ensemble, nous pouvons créer une réelle amélioration dans la vie de nos peuples. Notre pays est doté d'une richesse considérable de ressources naturelles, de terres agricoles fertiles, des ressources halieutiques à l'énergie éolienne, en passant par des mines et des jugements minéraux. Malheureusement, ces ressources profitent à peu de peu aux Sénégalais et ne sont pas assez utilisées de manière efficace pour améliorer les conditions de vie de nos citoyens, pour générer des revenus pour le pays. Les richesses humaines et culturelles du Sénégal sont essentielles pour le développement harmonieux de notre pays. Les richesses humaines et culturelles du Sénégal sont essentielles, je l'ai dit, pour le développement harmonieux de notre pays. Notre parti valorisera ces ressources de manière responsable et durable en imposant la transformation sur place de nos matières premières, agricoles, halieutiques et minières, générant des richesses pour notre pays et créant ainsi des emplois pour le Sénégal, permettant d'augmenter les revenus de chacun et en améliorant les conditions de vie pour les communautés locales. Nous nous engageons à promouvoir les investissements étrangers pour développer les secteurs clés tels que l'agriculture, l'énergie, l'industrie et les mines. Nous allons également nous battre pour garantir que les bénéfices de ces industries soient répartis de manière équitable et pour protéger l'environnement. En tant que parti politique, nous serons également engagés à promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources naturelles du pays. Nous voulons être un parti qui écoute les besoins et les préoccupations de notre peuple et qui propose et agit à son nom. Rejoignez-nous dans cette lutte pour une valorisation responsable et durable des ressources humaines et naturelles du Sénégal. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence dans la vie de nos concitoyens. Merci. Vive la démocratie. Vive l'Union pour le développement de Gouligel Askami. Vive la République. Vive le Sénégal des Sénégalais d'ici et d'ailleurs. Je vous remercie. Euh, commençons par euh, euh, madame, avec ami euh, Thiès, euh, Dakar déjà, qui est fortement bien représenté. Euh, Thiès est là, Patik, Kaulak, Nyoro, bien représenté aussi. On a aussi la Casamance avec Ziguinchor, Bignona, euh, n'est-ce pas, qui sont là. Et vous voyez qu'on a même des représentants venant aussi de, de Saraya, n'est-ce pas Tout ça, tout, toutes ces délégations-là sont venues assister. Hein, Samba Kunda aussi sont venus assister à cet événement-là, qui est euh, effectivement. Voilà. voilà. Donc Saint-Louis aussi, Saint-Louis, euh, ouais, euh, ils, sont, ils, sont, ils sont là, n'est-ce pas Donc Thiès, yes. Euh, yes, Dagana aussi, très bien, voilà. Vraiment, on remercie tout le monde, on remercie toutes les délégations qui sont présentes euh, à cet événement et vraiment un grand merci. et aussi aux responsables de euh, collaborateurs des responsables du parti politique, n'est-ce pas, qui sont venus nous honorer de leur présence, vraiment un grand merci. Un merci et surtout pour le retard accusé dans cet événement-là, n'est-ce pas. Euh, merci beaucoup, vraiment, on s'excuse vraiment. Merci. On donne la parole à chef. Euh, à de le soir dit

di bokk gis-gis bi ñu ci élection yi ànd suñu tête de liste mu Sénégal gox yi ñu leen wax tey ñu jàppale ko dalal ko sonn ci trop mais bi élection yi résultat yi dafa parti boobu muy bokk gis-gis forest la amee benn député nekkoon loo xam ne lu ñu jaaxaloon la waaye bi ñu toogee ba ci àgg ñu gis ki nga xam ne moo ñu jiite woon jël décision ne dafay ànd ak pouvoir bi te concerté wuñu ñun tamit ñu ne ah ñun kat parti politique xamuñ ci loolu ndax ñun ñi toog ci table bi nii membre comité directeur lañu ñun ñu toog ci table bi nii cellule des cadres ci lañ bokk ñun ñu toog ci table bi nii bokk nañ ci conseil exécutif national donc mu nekk ñetti instance yi nga xam ne moom mooy instance de décision dans un parti politique mais njiit boobu bi muy jël décision am tàgguwuñu concerté wul kenn dañoo xëy rek gis moom mu ne jël na décision boo xam ne dafay dem ci mouvance présidentielle mais bu fekkee ne dañoo xoolaat li nga xam ne xew na ndax moom alxames la dem man defe naa àjjuma génn naa dem ci télévision yi mais bi dem dama dem ak baatu suma naataango yi damay dem ak baatu suma naataango yi parce que booba daje nañ ne ñun kat bu fekkee ne dañuy dem ci mouvance présidentielle dafa am forme buñ ko utiliser mais mënuñu nekk pendant dix ans ne dañoo and ak opposition bi ñu ak mouvance présidentielle ñu xey rek ki nga xamné jité nañu xey rek né mom dafa dem and ak mouvance présidentielle bu boba ñun tamit daf ñuy may droit ñu mëna taxaw ñun tamit pour réitérer suñu position position bobu ñu réitérer won mo taxone ñu ne ñun demuñu ci mouvance présidentielle bi je crois que loolu dafa bax ndax mu historique tay li indi li bi ñu demee ba ci yagg nous ne ñun demuñu ndax concerté wuñ ñu te concerté Nous duñ dem mënuñu nekk ci benn dëkk ànd ak suñuy nawle di xeex pouvoir di xeex ñi nga xam ne ñoo fi nekk xëy benn bis rek ñu ne leen kaay leen ngeen dem fële loolu xel da ko nanguwul loolu moo taxoon ñu ne ñun ah du fait que loolu am na dañuy def ñun tamit suñu beru nous ñun ñu def point de presse organisé wu la massification bi biñ demee ba ci biir point de presse bi ñu ne nan nous suñu bopp ñu ne fait que départ la ñun dañuy tudde suñu bopp bokku gis-gis dëggu dañu bëggoon le mot dëggu sigle dëgg bi marqué suñu désaccord ak li nga nous ne mooy option wu suñu président bi ñu jiite du ma bon ñu def lolu mais biñuy def keroog xew bobu je crois que Sénégal yépp gis nañ li xew gis nañ attitude ak comportement bi nga xamné ne nañ ko mais lolu ñun taxuñu ñu toog ñu continuer massification bi biñ continuer massification bobu nek na lo xamné ça a porté ses fruits lu tax ça a porté ses fruits moy dañu gis ne ñun waruñoo mën a nekk ci arène politique bi di politique ñu toog ba ci àgg ñu ne parti boobu doxul ñun ñu toog parti bi ñun ñoo ko yore woon ñun ñoo yore woon parti bi ñoo doon dem di wax ñooy dem di jëf kon il est normal que ñun dañuy réitérer ne dañu ànd ak opposition bi ñun fañ nekkoon ci opposition bi dara changé wuñu ñu am possibilité boo xam ne képp koo xam ne leader opposition nga demoon nañ ci yow waxtaan ak yow pour voir la position par rapport à li nga moi ne la situation bi nga xam ne dafa daloon gis-gis mais jëloon nañ ben mesure mesure bi moo de nan mooy dañuy xool nan de massifier mouvement Nous commençons commencé dans les départements d'où dans les arrondissements actuellement ni nous avons au moins

donc ñun du ñu bàyyi suñu action loolu moo indi tey ndaje bi ndaje bi nag bi ñu ko commencé def dañoo gis ne am nañ suñ yeneen i nawle yoo xam ne ñoo nekkoon ci diaspora bi am fa taxawaay bu dëgër ñooñu noonu ñu tàllal ñu loxo ne ah yéen kat li ngeen di xeex ñun tamit ci foofu lañ nekk ndax mënuñoo toog rek benn nit xëy rek nañu noo dem leen ci opposition bi wala jaay nañ leen opposition bi wala toxu leen ci opposition bi bu fekkee dañuy xool tey ni nga xam ne position boobu ban pertement la indi ci boo ko gis-gis parce que tey boo ko gis-gis boo gisee ki nga xam ne mooy président bi bi mu demee mais amul benn retombé boo xam ne am na ko ci bokk gis-gis boo ko gis-gis amul ci benn retombé déjà ñaari nit ñoo fa nekk nous avons un poste de responsabilité Massali a un poste de responsabilité comme PCA Alunso a un poste de responsabilité comme ministre mais vraiment le bokk gis-gis amu ci kenn donc n'y a pas eu de négociation mais nous, li nga nous savons, ñu nous ko ñu waxtaan ñu ne ñu mais bokk gis-gis bi ngeen bëgg a tudde seen bopp dëggu danañ waxtaan ba jëm xol ñun tur boobu nan lañ koy génnee ci ñun que loo xam ne bu am na tâche ba pare buñ bëggee continuer ci tâche boobu daf ñuy xaw a pénaliser effectivement ñu ne kon nañ jéem a xool nan la ñuy def concertation yu yàgg ay weer yu yàgg nous avons communiqué presque avec tous les représentants yi nga xam ne dañu nekk ci biir diaspora bi ak ñi nga xam ne dañ nekk ci yeneen localité yi mais on a vu que ñun nañu jéem a seet nan la ñuy tudde suñu bopp ñu ne kon ndax duñ jël union pour le développement de liggéeyal askan bi mais toujours nous bëggoon conserver dëggu puisque dëggu bi moo tax ñun ñu jóge Donc kon nous boobu dañ koy dugal ñun slogan Nous continuer liguey Mais mais gis nañ ne mënuñu nek mouvement parce que ñun parti politique les won mon mënuñu mouvement kon ni ñuy def moy dañuy def li nga xam ne moom la administration bi laaj dañuy def li nga xam ne moom la législation bi laaj pour que mu ñu mën a nekk parti politique loolu moo ñu waral tey jotaay bi assemblée bii ñu koy ñuy def assemblée constitutive la boo xam ne ministère de l'intérieur moo ko laajte pour que ñun ñu mën a ñëw pour mën a def lu mel nii pour mën a am suñu récépissé pour mën a jouer toujours ci parti politique mais xeexuñu xeexuñu ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci wàll gële toujours ñi ngi leen di tàllal loxo parce que bu fekkee ne ki nga ki la jiitee dem na tey ba def action boo xam ne xëy na moom yóbbu na ko ci benn retraite je crois que citoyen bi dafa war a continuer toujours pour mën a yëngatu pour mën a défendre les intérêts de son pays ñun loolu moo tax ñu def tey continuité bi kon tey dafa baax à ce que ñu dajale nit ñi pour wax leen ne leen nous sommes ouverts surtout vers l'opposition opposition bi dañ leen di gën tal réitérer tàllal suñu loxo ñun rek mënuñu dem mais il faut que ñu xool ñoo xam ne ñoo bokk gis-gis xool ñoo xam ne bokk vision xool ñoo xam ne ñoo bokk yaakaar ci li nga xamné dafa jëm ci réew mi surtout li nga jëm li jëm ci élection yi nga xamné moy élection wu 2024 mais ñun li yok ci suñu slogan moy tout sauf Macky Sall kon combat bobu képp koo xam ne yaa ngi ciy yëngatu tàllal nañ la loxo ñuy remercier nag ñi nga xam ne tey ñëw nañ fi vraiment lii bokk gis-gis gëj na ko am parce que ñun def nañ 12 ans ci bokk gis-gis moi j'ai été toujours porte-parole je me suis toujours mouillé au charbon Maître Diaw moom moo nekkoon directeur des structures il est là Pape un ingénieur de la Sonatel qui structure le Bocon les jeunes sont là cellules des cadres ñi ngi cellules des femmes ñi donc nous prenons la relève mais relève bi ñu des mouvance toujours nous réitérer que nous ñun ñu opposition parce que nous, le moo nekkoon suñu objectif loolu moi taxoon tey ñu pour waxtaan ak yéen dana am nag noo xam ne moom la ñu constitution wu parti dafa bëri ay éléments mais li nga xam ne tey lañ tout juste désigner ki nga ne tey nañ ne buñ ko jiitalee dana mën def continuité boobu li ci des des actions administratives def en interne mais il fallait que ñu woo nit ñi pour wan ne ñun ñi ngi boko gis-gis nañ fa créé nak lo xamné dafa gis-gis la déjà di fait que y'a bi a, ñun dañuy fofu lolu mo waral tay ndaje bi ñu di xamal bis ni ki parti bi nga xamné moy union hein, pour le développement and Sénégal lolu moy slogan bi nga xamné mom lañ loolu mooy étiquette bi nga xam ne moom la ñuy bëgg a yëkkati pour mën cee ànd ak ñii nga xam ne waa opposition bi la mais ñi ngi defal mention spéciale à honorable député du PASTEF lu tax ma wax loolu parce que moom am na beneen nawleem député bu dëkk Mbirkilaan tey dafa nekk ci ay xat-xat moo tax tey mu yónnee pour mu ñëw représenter ko fii liñ leen di waxal rek mooy ñoo ak yéen ñoo bokk komba bi xam leen ne ñi ngi seen kanam ñi ngi leen seen gannaaw liñ bëgg ci dëkk bi mooy dëgg liñ bëgg ci dëkk bi mooy mu dox réew bu amul dëgg mënta dox réew bu fekkee ne kilifa yi ñemewuñ jàkkaarloo ak nit ñi ne leen yéen góor li ngeen di def waaw góor yéen a ngi baax na wala waaw góor xoolaat leen ndax baaxul loolu dëkk boobu mënul dox te yéen ci dynamique boobu ngeen nekk kon xam leen ne ñun de fii ñu toog nii duñ leen fàtte ñu ngi leen di ñaanal yàlla may leen ndam loolu leen leen di ñaanal ñi nga xam ne aussi ay militants lañu nañ xam ne ñun ñoo fi nekk waaye yéen nañ fi nekkal ñun ñi fi toog nii ñun duñ ay politiciens ñun duñ ay politiciens déedéet kii cabinet am la avocat am la yore. man ci communication La nek je dirige une chaîne de télévision qui ma nga ca fële di liggéey liggéeyam kii ma nga ca fële di liggéey liggéeyam ñun duñu ay politiciens parce que amuñu contentieux politique demuñ ci benn koñ ne leen danañ leen sampar robinet demuñ ci benn koñ ne danañ leen jox nangam nangam ñun daal liñ bëgg mooy képp koo xam ne ànd nañoo ak moom na nga seet lan mooy xam ne mooy intérêt réew mi nga nekk ci na nga xool lan mooy yërëm population bi nga nekk ci na nga xool lépp loo xam ne boo koy def nañ ko def ci concertation nañ ko yëgoo mbir nag il faut que ma am ko ko jiite il faut que ko ko ñi nga xamné ne ñoo jiite ñim jiite nañ leen nangul ne ñom ñoo jiite ñi nga xamné ne ñoo nañ nangul ne dañ leen jox ñu ñin vraiment dañuy am satisfaction totale donc nous ngi yëkëti suñu loxo pour di leen wax ne ñun danañ préparé wu seet nan lañuy suñu biir kan lañuy àndal ci élection yi waaye ànduñu ak mouvance présidentielle bi loolu que ça soit clair donc le des vraiment dire ko waxtaan ak nit ñi ñu ngi leen nous a Nous di ñaan avons eh, nous def nañ ko fi rek nous faire. nous dans les régions gis dans les départements Nous nañ leen ak conviction ñun amuñ luñ joxe passe. amuñ ko amuñ nous passe. képp ku par conviction

di ko gërëm si comme ni ngeen koo xamee jamono ji accident yi dañoo bare kon bu yàlla defee ñu déplacé wu fu sore militant yëpp ñëw ba fii donc si kàttanu suñu borom la ñoo ngi koy gërëm di ko sant beneen bi mooy damay commencé di nuyu suñu président parti bi ak secrétaire général am responsable, Madame la responsable des femmes, Monsieur le responsable des jeunes, Mesdames, Messieurs les responsables de la diaspora, chers membres du comité de pilotage, chers amis et militants du parti, Mesdames, Messieurs, chers invités et aux veillants journalistes, ce jour marque un tournant décisif dans l'histoire politique de notre nation dans un contexte où le clivage politique est tendu, où l'avenir du Sénégal est en question, que nous avons réussi nos forces pour bâtir ensemble l'Union pour le développement de Gouligayal Askan. Ce parti de l'ouverture et du dialogue, pour montrer la voie de l'alternance et du changement pour un Sénégal de croissance et de résilience, tant sur le plan économique, sanitaire, éducatif, et sur l'environnement et le développement durable, sur l'emploi et le pouvoir d'achat des Sénégalais. Oui, vous l'avez tous constaté, pendant les chocs exogènes, à savoir la crise économique due à la pandémie Covid-19 et la guerre en Ukraine, nous avions donné le plein pouvoir au régime. Et contre toutes attentes, le rapport de la Cour des comptes révèle que ces hommes qui incarnent le pouvoir ont, toute l'ambition du monde, sauf celle de garantir le chemin de l'émergence tel qu'il a été promis par les Sénégalais dans leur rapport, dans le programme du plan Sénégal émergent. Face au constat, l'idée de laisser l'avenir du Sénégal à ce régime est un combat que nous, membres de l'opposition, nous devons lutter pas seulement par un programme, mais par la restauration des valeurs éthiques et morales. Oui, des valeurs éthiques et morales. Par un modèle économique qui correspond aux exigences socioprofessionnel du pays et qui transformerait le secteur informel en secteur formel. Par une politique de transition vers une économie circulaire, fonctionnelle et solidaire, typiquement africaine. Mesdames, Messieurs, posez-vous la question à savoir pourquoi les élèves et étudiants de notre pays rêvent tous de partir Poursuivre leurs, études en Europe. Posez-vous la question à savoir que produisent nos universités en termes d'emploi direct. Mesdames, et Messieurs, la réponse est très douloureuse à entendre. Parce qu'il n'y a, une a pas une volonté politique, éducative pour nos jeunes. Les jeunes qui ont eu leur diplôme et qui ne trouvent pas de travail, on en trouve partout au Sénégal. Faute de quoi D'une véritable politique d'insertion socio-professionnelle. Il en manque et on l'avons constaté, moi-même en tant qu'étudiant. Même pour trouver des essais, il y a un problème. C'est pour ça que nous nous sommes dit nous laisserons plus les autres décider à notre place. Car c'est notre avenir qui en dépend. Au nom des jeunes élèves et étudiants du parti, dont je suis le responsable national, et étant membre fondateur et également membre du comité de pilotage, je réitère mon degré d'engagement à servir le parti pour qu'ensemble qu'on puisse bâtir un Sénégal meilleur avec comme fondement la résilience économique et le développement durable. Vive le Sénégal, vive le parti de l'Union pour le développement de Goulié et le parti de l'ouverture et du dialogue. Merci beaucoup. Par un parti politique qui s'appelle l'Union pour le développement de Gou Ligayel Askanui. Et nous avons bien compris les définitions de chaque mot ou bien de chaque expression ici inscrite sur l'affichage c'est pour cela taluñu sax nan ki mooy jiite wala kële on a fait les travaux si ben courriel technique go xamné ni, waxtané ko ba nga xamné bu ñëwé tay rek dañ leen ni présenter ben bureau bo xam c'est déjà validé par le comité de pilotage tay ñu ñëw diko yëgal assemblée bi devant les témoins les témoins mooy suñu naataango yi nga xam ne ñoo nekk ci opposition bi comme ñun suñu témoin mooy ñi nga xam ne ñoo ngi société civile mbay te ñëw fekkee ci lii suñuy témoin ñooy ñu jógee ko bitim réew te ku ñuy wax du Bari nekk ku jàmbaare liggéey ak Ablaye Wade liggéey ak euh, Pape Diop ci bokk gis-gis ba tey jii mu ñëw di bokk ci ñuy samp lii suñuy témoin mooy xale yi nga xam ne mësuñoo yëngu ci politique te gis ne Sénégal gii ñu toll bu ñu ci jógul du dox ñu ñëw ànd si ak ñun ñu taxawal tey loo xam ne nii buñ ci pare dañ naan droit au but droit au but nag mooy 2024 gii ñu waajal ko ba nga xam ne nii réew mi dina dugg ci ay loxo yu wees yu yu bees yoo xam ne nii changement dina am parce que qui comprend la situation politique c'est que le vent du changement a sifflé. Et qui sera le président pour remplacer celui qui est là Nous, on est là avec l'Union pour le développement de Gou Ligayel Askanwi, dont le bureau est comme suit. On a pris l'initiative de mettre de mettre de mettre qui se succède, Ibrahim Diop, parce que c'est un avocat à la tête du parti. Premier vice-président chargé des Sénégalais de l'extérieur, Alfousseini Sane. Il est en France. Deuxième vice-président chargé de l'éducation et de la formation, Ami Bassel, surveillante générale ici à Dakar. Secrétaire administratif, celui qui aide tout ce qui est l'administration dans le parti, on l'a donné à Papa Insa Sane, ingénieur à la Sonatelle trésorier national général euh, Aïda Ndiaye Mbaye union des cadres pour le développement Majeng Top formateur ici à Dakar union pour le développement des femmes on a pris Dieynaba mais elle sera secondée par une équipe bien formée secrétaire général du parti on a pris Amoudou Bari qui est en France. Oui, il le mérite. Et secondé par moi-même, Abdoulaye Diou, enseignant syndicaliste, chargé des élections aussi. Chargé des droits de l'homme, parce qu'actuellement, il nous faut quelqu'un très fort pour défendre et accompagner non seulement les travailleurs, mais toutes les couches qui sont dans cette société sénégalaise. Et c'est Baba Karkan qui nous vient de Medina Yorofula. Sans des nouvelles technologies et de logistique, on a pris Jaina Badja. Directeur des structures, Baba Karsane, qui est médecin au niveau de la compagnie sucrière sénégalaise du Sénégal. Sargé Chargé de la modification, il y a Ramening et Narsek qui sont de Touba, Secrétaire chargé des conflits, c'est-à-dire euh, la, discipline du parti. On a pris Ndoulo Fatimata Li.